à et ses environs, chers auditeurs et auditrices du studio Kalango bonjour. Et c'est un plaisir de vous retrouver ce matin sur cette émission, le Niger sur Kalango. Au micro, c'est Samira Rafi et à mes côtés, Ali Monkela Ouseni alias Seno. La technique d'aujourd'hui est assurée par Issa Lawali et à l'édition, nous avons Adama Dawaki. Alors, Seno, comment vas-tu ce matin Je vais bien, Samira, et toi, ça va, j'espère Oui, ça va, Dieu merci. Super, alors, qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs Eh bien, Seno, ce matin, comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information qui nous sera présenté par Mokhtar Hamadou. Une bonne dose de musique 100% nigérienne sera servie à nos auditeurs qui sont à l'écoute. Dans la rubrique Éco des régions, nous allons à DIFA pour parler de la commercialisation du poisson. Il y aura également la page sport, de la culture linguistique, un loti offert par le Desk Femme et sans oublier la rubrique hebdomadaire Environnement. Aujourd'hui, euh, nous recevons comme invité Jibo Ousmane à l'état civil, euh, et le plus connu sous le nom de Rouge Ousnet, artiste slameur nigérien domicilé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette édition comme d'habitude et nous est présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Samira Rouafi, bonjour Ali Moukela Ousseini. Le flash d'information de ce mercredi à présent. Le président de la République, Mohamed Bazoum, séjourne depuis hier à Gaborone, au Botswana, où il participe au 15e sommet États-Unis-Afrique sur les affaires qui se tient du 11 au 14 juillet 2023. Cette rencontre qui débute aujourd'hui est le plus grand rassemblement annuel des dirigeants et des hauts fonctionnaires américains et, africains euh, de cadre du secteur privé, d'investisseurs internationaux ainsi que des parties prenantes multilatérales, rapportent le service de la communication de la présidence du Niger. Le vice-président du Conseil supérieur de la communication, El Hajj Mohamedou Souleyman, a présidé hier à Niamey la journée de vulgarisation du projet de la charte des blogueurs. Cette journée vise à vulgariser le projet de la charte et recueillir auprès des web activistes du Niger des amendements sur le dit projet avant son adoption par le Conseil supérieur de la communication qui doit être le dépositaire. Du fait de la méconnaissance des règles, quelques acteurs ont malheureusement enfreint la loi du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité et ont été poursuivis devant les tribunaux, a rappelé le vice-président du Conseil supérieur de la communication en Côte d'Ivoire six mois avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2024. Les autorités sportives ivoiriennes et de la CAF ont communiqué hier mardi sur l'état d'avancement de l'organisation. Le pays s'est dit prêt à accueillir la plus belle canne de l'histoire. Le ministre ivoirien des Sports Paulin Claude Danon assure que la Côte d'Ivoire répondra à la problématique d'hébergement au-delà des installations hôtelières existantes ou nouvellement créées, des cités et cannes de 32 villas de 5 pièces chacune vont être ou ont été érigées dans des villes comme Corogo. C'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 12 juillet 2023. Merci beaucoup Mokhtar pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons comme invité aujourd'hui l'artiste slammer rouge Ousnet, connu, euh, c'est son nom sous lequel il est plus connu, mais à l'état civil, c'est Jubo Ousmane. Il réside en Côte d'Ivoire à Abidjan. Effectivement, avant de lui donner la parole, euh, avant de donner la parole à notre invité, écoutons d'abord la première musique euh, de notre sélection d'aujourd'hui. Il s'agit du morceau Isaharo de la diva, euh, de la diva Fatih Mariko. C'est parti. le titre Isaharo » de l'artiste Fatima Rico est un morceau qui manque, euh, qui ne manque pas d'énergie et de caractère. De 1, les premières notes, on est immédiatement transporté par une atmosphère envoûtante et captivante. La voix unique et puissante de Fatima Rico nous amène dans un voyage musical riche en émotions. Sa performance vocale est à la fois passionnée et plein, plein, plein d'assurance, démontrant sa maîtrise artistique et sa, capacité et sa captivité hein, à transmettre des sentiments profonds à travers sa musique. Exactement, c'est nous. Dans ce titre, Issa Haro qui parle du fleuve Niger, les paroles sont tout aussi intéressantes. Elle nous parle des bienfaits de ce joyau que la nature nous a gratuitement offert, qu'est le fleuve Niger, qui prend sa source à 800 mètres d'altitude au pied du mont Lo sur le front, sur le flanc plutôt sur euh, le sud du Fouta Djalon en Guinée et qui traverse la Guinée, le Mali, le Niger, le Bénin et le Nigeria. Un fleuve qui fait face à d'énormes menaces, notamment à l'ensemblement ces dernières années, c'est nous. Chers auditeurs, euh, c'était le titre Isaharo de l'artiste Fatima Rico. Euh, c'était également une façon pour nous de vous permettre de bien vous installer dans cette émission Le Niger sur Kalango. Alors, on revient avec notre invité du jour. Alors, j'espère que vous avez aimé ce titre. Eh oui, oui, oui, si, si. Ça va bien Oui, ça va, ça va bien. Super. Alors, dites-nous, qui est Rouge Ousnet Rouge Ousnet, euh, je suis, je suis Rouge Ousnet. De toute façon, c'est un nom que mes amis d'enfance m'ont donné. Rouge, en fait, en tant qu'un étudiant comme moi d'abord, un étudiant en droit en sciences politiques et en communication qui a licence en droit de l'homme. Avant, bon, de toute façon, je suis amoureux de la parole, un islamère de qualité. Mhm. Selon moi, rouge, euh, c'est une couleur d'évolution. La couleur rouge est une couleur d'évolution. D'évolution Oui. Ok. Et quand on dit Ous, je m'appelle Ousmane à l'état civil. C'est le diminutif de Ousmane. Voilà. Exact. Net, c'est-à-dire, euh, je vais dire plutôt, chaque nom est net et clair et c'est tout quoi. <laughs> ça c'est vraiment un nom de slammer, c'est très très poétique. Alors, Ousnet, pour euh, nos auditeurs qui sont actuellement à l'écoute, un petit texte. Ok, ben, pas de souci. Euh, avant de faire le petit texte, euh, je les annonce d'abord la bonne nouvelle. Ok. Parce que je suis le messager de la parole. Même les griots du roi m'ont chanté à la légende véridique de ma race, au son des Hoskoras. Mais nous sommes des Africains de toute façon. On fait toujours que le rêve dévore notre fille. Yes, Les politiciens économistes, pendant un demi-siècle, tout est passé mal des langages susceptibles, presque l'air grasse matinale où le temps ne penche plus vers rien. On n'arrive jamais au début de l'opération économistes, la parole. L'air passe toujours, le temps passe toujours. Les économistes, réveillez-vous. Direction lâchée, des idées S. La politique est devenir centre commercial. Les officiers de la musique africaine, pensez aussi à les économistes. Toujours des sourires promoteurs. La question ne se pose pas à la vérité. On vous donnerait cher pour pouvoir vous répondre. Pourtant, en Afrique, toujours, c'est la guerre les économistes, réveillez-vous, l'Afrique a besoin de vous. Yes, ah, ça c'est merveilleux. Moi j'étais wow. Euh, c'est vraiment. Super, super. ce slam, c'est trop, beau. C'est trop beau, c'est des paroles profondes. Ousnet, ouais. depuis quand avez-vous commencé le slam Ben, j'ai commencé le slam, euh, en fait, euh, parce qu'à l'époque, j'étais, j'avais un ami d'enfance qui, qui s'appelle Isma. Nous avons créé un groupe qui s'est dénommé Dynamique. Hmm. Nous nous croyons les meilleurs du rap à l'époque parce que pour nous, on donne, nous donnons des messages profonds. Je vais dire plutôt en un mot en bon français. Hmm. Euh, plus tard, ma vision artistique avait changé, donc euh, je me suis dirigé vers l'islam parce que pour moi, un slammer est un porte-flambeau du peuple. un slammer donne toujours des messages profonds, quoi. Tu vois. Exact. Et voilà donc c'est la raison pour laquelle bon, je je peux dire que j'ai commencé avant 2016 parce que c'est l'année 2017 que j'ai fait sortir mon album bah, politicien économiste africain nommé eh, comment dirais-je, je vais dire plutôt et avec 11 titres en fait, politicien économiste africain. Vous avez déjà un, un, album à, à votre disposition Oui, si, si, depuis en l'année 2017 en fait. Composé de 11 titres. Oh, voilà. Super. Super. Alors, Rouge Ousnet, quelle est la différence entre le slam en Côte d'Ivoire et ici au Niger L'évolution, comment ça se passe Bon, de toute façon, eh, j'ai essayé même d'échanger parce que je suis à la rencontre des amoureux de la parole parce que Altest est là, Jonel est là, ainsi de suite. Donc, euh, hier, même, j'étais avec Tchatcho. Mais de toute façon, c'est pour pouvoir se donner des idées, pour, pouvoir partager des idées. quoi. Parce que de toute façon, slam, en Côte d'Ivoire, vraiment, on est bien, on est mieux, c'est mieux, on est bien, je vais dire plutôt. Mhm. C'est pas pareil comme ici, quoi. Parce que de toute façon, c'est mon pays natal y compris, mais j'ai posé même la question à, Alteste, eh, comment Altest, mon ami, mhm. mon frère euh, amoureux de la parole. J'ai dit, mais ça m'étonne, je vois ici, c'est pas la même tendance. aussi développée. Merci, tu mhm. vois. Ok. Bien. Avant de euh, continuer, euh, faisons donc euh, une petite pause musicale avec le titre My Sweetie Sweetie du groupe MDM Crew. des que je, rêve de toi Tu me donnes envie de planer ma suite quand je t'évade Tu me fais danser baby quand j'entends ta voix C'est ta sœur qui était ma reine, fais de moi ton roi Dis-moi que tu fais de moi juste et tu verras ce que moi je ferai de toi Ma suite girl, my heart flies only for you I do not see for you, my baby say it's for me And I will rain for you Baby girl, t'es ma sweetie angel, let me fly with you My baby, baby My sweetie, sweetie My lover, lover Your beauty under my eyes hata amini Oh my lady, your beauty onto my eyes Toi et moi c'est pour la vie, La Allah qui la de C'est toi que j'ai choisi, your beauty entre my eyes Devant Dieu moi j'ai fait le serment de t'aimer bébé pour la vie eh, Baby girl, crois-moi, crois-moi c'est pas pour une seule nuit eh. Quand je te regarde, eh ben. et quand j'entends ta voix, ma lady. Quand je te regarde, ma princesse, et quand j'entends ta voix, ma déesse. L'amour, quoi de plus bon que toi Sans toi, sans aucune raison de vie. I am so happy, cette fois j'ai trouvé ma darling. I am so happy, laisse-moi t'appeler ma hope cœur. J'aurais bien aimé être ton ombre, t'accompagner, te protéger du mal qui nous encombre. T'es ma flamme, notre avenir, le plus de consombre. Pour sceller notre union, je combattrai tous les hommes. Baby girl, sans toi ma vie ne fait pas des personnes Pour rien ne me branche, animé que parler les deux Baby girl, c'est grâce à toi que je me tiens debout. Je ne veux pas me Sorti en 2017, le titre My Sweetie Sweetie est toujours dans le top 20 des chansons nigériennes les plus écoutées du groupe MDM. MDM est un groupe de rap nigérien qui sont actuellement à Niamey, composé de deux frères Majesty Soul et musulmans. Après avoir passé plusieurs années dans la région d'Agadez, ils sont maintenant vraiment dans la capitale. Exactement. Ayant débuté leur carrière en 2004 avec euh, leur titre La Faute, et depuis hein, lors, leur popularité n'a cessé de croître au sein du public nigérien, coqueluche de la jeunesse nigérienne. Ils s'imposent dans la musique urbaine au Niger et deviennent le premier groupe de hip-hop à faire euh, un guichet fermé au Palais des Sports de Niamey. Actuellement, le groupe MDM Cruz est sur un projet en hein, salvatrice. Alors, il s'agit euh, du projet, euh, disons, du concours régional dénommé tout simplement Serkin Une façon de détecter les talents qui chantent très bien euh, dans, notre, dans les huit régions que compose le Niger. On aura bien évidemment l'occasion de les recevoir euh, dans cette émission pour parler plus de ce concours. Alors, c'était là le morceau My Sweetie Suite euh, du groupe MDM Crew. C'est le moment de retrouver encore une fois de plus notre invité du jour. Exactement. J'allais te poser la question à savoir aujourd'hui, est-ce que vous êtes au Niger actuellement pour les vacances ou bien pour une production Bon, de toute façon, je suis ici à Niamey présentement pour pouvoir euh, euh, partager des idées avec des artistes amoureux de la parole. De un et de deux. J'ai profité avec le temps pour pouvoir prendre mon visa pour aller en France. Il y a un concours mondial et je suis le seul artiste slammer, poète nigérien qui a été sélectionné pour le concours qui se passe à Abois en France. D'accord. Merci, bonne compréhension, que marie requête retienne votre attention. Ah, Inch'Allah, ça va retenir notre attention, ne vous en faites pas. Alors, Josnet, quel type de message faites-vous passer euh, à travers votre slam euh, De toute façon, euh, le véhicule de mon message, je déclame la vérité. Mhm. Et un islamère est un porte-flambeau du peuple. De toute façon, moi je suis, je donne, euh, je ne fais pas partir parmi les artistes contemporains et locaux, y compris qui ne donnent pas des messages profonds. Et de toute façon, je suis, nous, chacun et chacune d'entre nous a des rôles à jouer dans la société, quoi. Mais de mhm. toute façon, moi, je donne des messages, je m'adresse surtout même euh, sur les politiciens, quoi. Mhm, mhm, voilà, je m'adresse les politiciens africains et vous pouvez prendre un stylo d'abord euh, et noter sur un petit calepin que les politiciens africains, ce sont des personnalités qui veulent imposer leur vie à la majorité juste en faisant aller suivre. Que leur thématique soit de gauche n'enlève rien à leur archisme. Parce que pour eux, le but de la politique reste le but hérité des fonds des âges. Ma sœur, si c'était le cas, on devrait encore occuper à corriger le premier jeu de l'histoire, n'est-ce pas Nous sommes tous des diplômés quand même. Merci. <laughs> Je te donne la parole Aujourd'hui, on reçoit des mots, en tout cas vraiment poétiques. Alors, euh, Ousnet, alors euh, nous avons l'habitude de voir des slameurs qui débutent la carrière, hein, leur carrière dans le domaine du slam. Et quelques années après, euh, ils, arrêtent. et puis ils mettent une pause, ils rentrent dans autre chose. Est-ce que de votre côté, vous, vous voulez continuer euh, d'une manière, en tout cas, élargie, ou bien vous voulez juste passer quelques temps dans le domaine du slam non, non, non, moi je suis né comme ça, quoi, dans la parole, et puis c'est quelque chose que je dois, j'ai commencé déjà, et puis jusqu'à la fin, quoi. Ok. Mhm. Donc, euh, c'est que je peux jamais arrêter de slammer, quoi, dans ma vie. Je continue, quoi. Hmm. Et parce que de toute façon, je suis le prophète de la parole. Le prophète de la parole. Alors, avez-vous un message à faire passer à l'endroit de vos fans qui vous écoutent actuellement dans cette émission Bon, oui, si, si, je peux. Que ça soit euh, d'ici euh, d'ailleurs, bien voilà. sûr. Voilà, donc euh, mes fans qui m'écoutent de, de l'extérieur, je vais dire plutôt, mhm. en Afrique un peu partout, parce que depuis l'année 2021, je voyage beaucoup là. Ok. Donc en Afrique un peu partout, pareil comme en Europe, dans les pays occidentaux, et pareil comme dans mon pays natal. Quand on dit en Afrique, même si tu es Nigérien, Sénégalais, c'est l'Afrique. Nous sommes tous des <laughs> Africains. Ok. De toute façon, ceux qui prennent leur temps à m'écouter, déjà ça me va droit au cœur, quoi. Parce que, y compris, je donne toujours, je déclame toujours des vérités. Et je suis sur cette terre pour donner la bonne nouvelle, quoi. Je suis né sur cette terre pour ça, quoi. La bonne nouvelle. Ouais. Donc, euh, mes fans qui me suivent vraiment, cela me va droit au cœur déjà. Mhm. Je les remercie. Ça me va droit au cœur de continuer de d'écouter, pas moi seul, d'écouter les mhm. parce que pour moi, les islamers ont des rôles à jouer dans la société. C'est vrai que chacun et chacune d'entre nous a des rôles à jouer, mais c'est la langue, la langue officielle élastique. C'est-à-dire, islamère est un porte-flambeau du peuple, quoi. Merci euh, beaucoup, merci énormément en euh, Rouge Ousnet d'être venu nous voir ici au studio Kalangu. C'était un plaisir, tu nous as vraiment rendu amoureux de la parole, comme tu le dis. On te souhaite de passer une agréable journée. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Samira, à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire et nous sommes mercredi. Nous allons parler environnement, plus précisément des déchets qui polluent nos espaces. Et oui, c'est nous. Afin d'aboutir à une meilleure gestion des déchets en Afrique, les acteurs œuvrant dans le domaine de l'environnement envisagent d'utiliser le numérique. Selon eux, cette initiative permettra de faciliter la collecte des déchets en localisant les dépotoirs et en faisant la cartographie des lieux de production de ces déchets. Slimane Wefan coordinateur national des gestionnaires des déchets d'Afrique au Niger, au micro d'Asumana China. La non-maîtrise de gestion des déchets nous amène à faire des analyses, toujours à chercher des solutions. Mais nous, à notre niveau, on se dit que le numérique a un rôle important à jouer sur la question de gestion des déchets. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez un dépotoir, une fois que ce dépotoir est le plein, la commune ne peut pas savoir si ce n'est pas quelqu'un de passage. On est en train de mettre un système d'alerte qui va alerter ou bien le secteur, tous les secteurs de la ville, parce qu'il y aura une cartographie qui sera faite de la ville en tant que telle, et tout le point de regroupement de déchets. Et là où on produit des déchets, dans le marché, même au niveau de, de grands carrefours, pour qu'on puisse alerter la commune pour qu'on puisse alerter les acteurs qui sont en charge d'évacuation de ces déchets-là. Pour les maisons aussi, ça sera pareil. Parce qu'il faut qu'on agisse surtout sur la question du changement climatique. On est en train de, avec les techniciens, de voir la production des effets de circulation, si on peut le dire, surtout dans les centres urbains. Ça produit beaucoup et ça tourne toujours sur la question du changement climatique. On n'arrive pas à maîtriser que les gaz là que nos véhicules, que nos motos sont en train de dégager jouent sur la question de l'environnement. Et essaie aussi de mettre une euh, situation qui nous amène vers le changement climatique. Et on est en train de développer un outil qui va nous permettre de contrôler par secteur. Quand vous prenez par exemple le Ferrand là, on peut te dire que voilà, à tel moment, de telle heure à telle heure, voilà la situation, comment ça se produit sur la question. Voilà un peu sur la question du, du numérique. Est-ce qu'au vu de tout ce que vous faites, vous avez l'espoir qu'il y aura un changement à l'avenir Oui, l'espoir, euh, vous savez, sur l'engagement, cette euh, question de la gestion des déchets, c'est une euh, affaire de tous, que ce soit citoyens ordinaires, que ce soit les autorités, les collectivités, que ce soit la plus haute autorité de ce pays. C'est une affaire de tous. Et on pense, parce qu'on voit du changement, mais il faut que ce changement vienne de nous-mêmes en tant que citoyens. En tant que citoyen, qu'est-ce que je suis en train de faire pour contribuer à mieux gérer mes déchets C'est de cela que nos collectivités peuvent essayer d'accompagner cette question de gestion des déchets. Et c'est de cela que aussi le plus haute autorité veulent essayer aussi d'apporter leur soutien sur cette question. Et il faut que le changement de mentalité à tous les nouveaux. Il y a une question qui est là sur la question de gestion des déchets ou bien des affaires de gestion des déchets. Parce que dans chaque chose, si on veut que ça réussisse, il faut enlever tout ce qui est sentiment. Et ça, ça a un poids parfois sur la politique qui fait ça ou bien quoi. On n'arrive pas à se cerner qu'est-ce qui fait ça. Parce que vous allez voir un dépotoir ou bien quoi que ce soit, on te dit que non, c'est X qui a versé ou bien c'est X qui est sur mer, on ne peut pas lui dire voilà ce qui se passe. Il faut qu'à tous les niveaux, qu'on puisse avoir un changement de mentalité. Si nos milliers sont insalis, nous ne pensons pas qu'on peut produire d'autres choses. Nous mangeons, nous vivons toujours dans la saleté. Quand vous sortez d'ici au goudron, les déchets plastiques que vous allez rencontrer, c'est énorme. Un simple geste pour amener ce déchet au niveau du poubelle, ça nous cause problème. Et ça aussi, ça doit interpeller les collectivités. On ne peut pas gérer le déchet sans des infrastructures, que ce soit les poubelles, que ce soit le dépotoir de transit, que ce soit le dépotoir final. Et de là-bas, on... Les moyens de transport aussi. Voilà, c'est ça. Quand il y a le poubelle de le potoir de transit, le centre final, tout ça là, il faut le moyen de transport. Et le moyen de transport, tant qu'il n'y a pas une politique adoptée sur cette question, on peut pas, on peut amener quelqu'un en tant que chauffeur qui va prendre ce bien là pour la collectivité, pour que tu puisses évacuer ce déchet, mais peut-être tu es venu par un autre canal, tu n'as pas à faire ton travail comme ça se doit. Voyez. Et au lieu qu'on ne essaie toujours euh, nos collectivités d'appui sur de formation sur des trucs, il faut doter nos collectivités des infrastructures de gestion des déchets. Quand vous prenez, il y a beaucoup de usines qui utilisent des fûts vides, les tonneaux vides. Les collectivités peuvent s'en procurer auprès de ces usines-là pour venir faire de poubelles et les implanter dans le quartier. On met trop de moyens sur des théories, sur cette affaire de gestion des déchets. Ou bien trop de moyens sur des ateliers, sur des séminaires, alors que voilà le vrai sens, le concret parce que tant qu'il n'y a pas des infrastructures c'est la question de gestion des déchets, on ne peut pas gérer ce déchet. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a une jeunesse innovante qui commence à prendre conscience sur la question de valorisation de ces déchets. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut Il faut que ces déchets soient bien gérés jusqu'au centre final. Voilà, c'était la Siliman Weifan, coordinateur national de gestion des déchets d'Afrique au Niger, au micro euh, d'Asumana China. Merci en tout cas, China, pour euh, euh, cet entretien. Poursuivons la consommation musicale dans cette émission, le Niger sur Kalangou, avec ce titre Espoir du groupe de rap Onens vient, c'est de la vie. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne, on se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne, on se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si le jour se lève, je me lève, comme les heures se relèvent. Dieu comme un élève, je tourne à ma nivelle. Mon avenir sur le parchemin, je me dois de le maintenir. Qui vivra plus la gloire de qui sera la nuit. Ma destinée, c'est ce que je vis, c'est ce que je modifie toujours espoir pour un meilleur lendemain. Lentement et sûrement, on ne voulait pas de torture. Ayant toujours peur de l'avenir, de l'inconnu. Demain, un autre jour, lève-toi, ta canne et marche devant toi, c'est ton jour ta I bless your song. Give the higher night My Jesus is my Lord, my cup in my God. For you, brother Bernard. Jour, lève la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue On se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de torture. Composé de deux jeunes très talentueux, Roxy et Fredo, ce duo est l'un des dieux artistiques le plus anciens au Niger et qui évolue sans perturbation et sans division dans le style RB et Afrobeat au Niger. Nous disons bon vent au groupe Onens quoi qu'il passe Suis la voie juste et logique, accepte les critiques, quoi qu'ils disent. Hey, ah, quoi qu'il passe Hey, ah, hey, ah, ah, hey, Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue, à pas de temps puis on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Hey, prends ça pour un conseil, man. Jour et nuit s'enchaînent, la vie c'est une chaîne, man. Garde espoir pour ta destinée, baisse pas la culotte, man. À cœur voyant tout s'accomplit. Tiens! T'as pas le droit de te poser des questions sur ton sort. Je dois te poser des questions sur ta conduite. Quand je te demander ce que sera ton lendemain ne baisse pas la culotte, d'accord vaillant tout complet Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Le jour se lève, la nuit s'enchaîne. On se demande ce que sera notre lendemain. On évolue à pas de tortue, on se demande ce que sera. On se demande si on est sur le droit chemin. Après cette pause musicale, c'est nous, on passe à l'écho des régions. Effectivement, Samira, et aujourd'hui, nous allons euh, dans la région du manga, je vais dire d'Ifa, plus précisément à Ngingimi, pour parler de la commercialisation du poisson. Dans la région de Difa à Ngingimi, le commerce du poisson constitue euh, la principale source de revenus pour la population, notamment les personnes affectées par les chocs climatiques et sécuritaires vivant à Ngingimi. Ce qui fait que beaucoup de familles se retrouvent euh, grâce à la commercialisation le reportage est signé Abdoulaye Maina. Pour subvenir aux besoins de leur famille, certains réfugiés nigériens s'adonnent à la commercialisation du poisson à Difa. C'est le cas des Faji et arrivant des Malanfatori et Abadan au Nigeria. La vente de ces poissons leur permet de vivre dignement une activité qui, selon eux, a contribué à leur autonomisation financière. da ba mu da sana'a yanzu ko masha Allah an kawo mana kihi muna iya muna buka muna taya muna saida muna samun riba mun rufe asirin mu kuma mun huta a cikin talauci alhamdulillah wannan kihin ya kawo mana alheri sosai da ci gaba kuma da lokacin da muka huto cikin lafiya wannan muna zaune kusan shekara takwas maza mu da mata da yaran mu babu abu yi amma da wannan kihin ya zo gashi nan kowa yana kasuwancin shi masu gilas suna kawo gilas suna saida masu sayan danyen kihi suna taya da shi yamma kowa ya ci alherin shi alhamdulillah har kasuwan bushashen kihi wallahi ba laifi La pêche et le commerce du poisson constituent les principales activités économiques de la commune de Ningimi, eux-mêmes du département selon Oumara Malam Haladou, maire de Ningimi. À titre illustratif, en 2022, plus de 4000 tonnes de poissons ont été vendues sur le deux marchés du poisson. tattaunawa da muka yi da ma'ilmanta na wannan fanni sun tabbatar mana da cewa kifin da ya wuce ta gawashinsu wanda su suka auna shi aka hita da shi zuwa kasashen waje a shekara ta 2022 ya kai ton 4,646 kenan wannan adadi in ka ɗauki yadda ake sai da kilogram mafi karanci shine dala 300 sefa kenan in ka ɗauki 300 sefa ka buga ta zuwa wannan adadin tonkin da aka hidda zaka ga kifin da aka hidda a bara aka saida shi a wannan kasuwa namu mai albarka na gegime yana kai miliyar shida da miliyon ɗari tara da wani abu saboda sauyin yanayi wannan sauyin yanayi ya sa ruwa na tafkin chadi basa nisa da wannan garin namu na gegime kifaye yare da kake tsammani kala daban daban shi yasa suke zuwa suna kamo su sai su kawo nan su saida shi rahoto mai kyau da abdullahi mai na ya shirya muna onusin yalo sikile an linya ina kwana abdullahi alhamdulillah malama samira na gaishe sheki na gaida seno da masu sauraro madalla kuna lahiya a can garin gengeme gengeme ga ta nan babu wani matsala ko mina tahiya daidai wallahi to madalla abdullahi shin kifin yana da arha ne duk da akwai shi ana ta sai suwa yana da arha wallahi malama samira yin gaskiya ana samun shi a farashi mai rahusa mm. gani yadda kusan koma mutum mai karamin karhi ne zai iya samu wanda zai sarrafa ya sa a miya ya yi amfani tare da dukkanin iyalan shi to madalla su masu sai da wannan kifin sun fi samun riba an suka sai da shi nan gida koko in aka kai shi ketare ke eh, gaskiya a yawancin tattaunawa da muke da masu saye da kuma sayar da shi wannan kihi imma danye ne ko suka kai shi kasashen ƙetare kamar Najeriya musamman ma a yankin Hadeja. Sun yi samun kuɗi sosai a kan su sai da shi a nan gida Nijar ko kuma nan jihar Difa ko kuma musamman nan gundumar Gegime mai To da mun gode Abdullahi Maina muna maka fatan ah, ka wuni lafiya. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. C'est nous, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Hassoumi. Bonjour Mira, bonjour Sinou. Bonjour. Bonjour. Alors Grouza, le MENA A féminin connaît désormais son adversaire dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines, n'est-ce pas euh, Oui, Mira. La compétition va se dérouler au Maroc en 2024. Le tirage a été effectué le 6 juillet dernier et les dames nigériennes affronteront la Tunisie qui était en quart de finale lors de la dernière canne. Le vainqueur de ce duel sera opposé à celui euh, de l'opposition entre la Guinée-Bissau et le Congo au second tour. Les 11 meilleures équipes à l'issue des deux premiers tours euh, seront qualifiées pour les phases euh, finales. Alors, Gourouza, combien de fois euh, cette canne a été organisée oui, la première édition, c'est l'Afrique du Sud euh, qui a remporté la Coupe, plus précisément le 23 juillet 2022 euh, à Rabat. Mhm. Et c'est le Maroc. Le Maroc, euh, voilà, deux fois. Deux fois 2022 et 2023 que le Maroc a eu le privilège d'organiser la compétition deux fois consécutive. Donc la première édition d'ailleurs, c'est l'Afrique du Sud qui a remporté la Coupe, plus précisément le 23 juillet 2022 à Rabat devant le Maroc. En finale, les Bayana Bayana, au lieu de dire Bafana Bafana, chez les dames, on dit Bayana Bayana ont disposé des dames marocaines sur le score de 2 buts à 1. Quant au Niger, c'est la première participation à cette canne féminine et elle est tombée sur un gros morceau, la Tunisie. Ah Mais le football, euh, euh, sinon, n'est pas un jeu de mathématiques et surtout impossible n'est pas nigérien. Exactement, impossible n'est pas nigérien. à cette fois-ci, on va parler de lutte. Euh, alors, lors des compétitions de la lutte, les griots occupent une place importante. Ah oui, oui oui, sinon. La lutte traditionnelle reste euh, d'ailleurs le sport favori des Nigériens. Outre son aspect sportif, beaucoup de spectateurs partent à l'arène euh, pour entendre le célèbre Sogolo euh, quand les tam-tams accompagnés par les paroles. L'ambiance est électrique. Les lutteurs font confiance en leur pouvoir. Dawda Abdou, ancien lutteur et vice-champion des années 2000, a précisé à Mohamed euh, Maman, notre correspondant de Maradi, que la voix de Sogolo transporte les lutteurs dans un monde où la peur n'existe pas. Nous l'écoutons. suna tada dan kokowa yadda yadda baka zato tun da yau in ka ya kira ka duk inda hankalin ka yake dole ya tashi sai ka ji duk abin da za a yi ba a ƙi ba ka ƙi ba in mutuwa za a yi cikin hilin nan a mutu duk ɗaya ne baka shakon kuma wannan lokacin ka yake tashi duk wani abin da kake da shi sannan yake tashi sai ka ji hankalinka ya tashi so kake kawai a ce a kai a bai yiwa yau ayan aka yi ta ma ba ta daɗi tunda kai kanka hankalinka bai tashi shi makaɗi zaman mazigi ne yake dole ne sai da siga duk abin da ka sani sai da siga Voilà et pour le sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup Gourouza pour toutes ces informations sportives, surtout la partie euh, du curieux m'a trop intéressé. C'est nous aujourd'hui le portrait du jour nous amène à la découverte d'un musicien. Oui, dans le volet euh, portrait de ce mercredi 12 juillet, nous allons à la rencontre d'un musicien de la ville de Damagaram. Il s'agit de euh, Baba Nosip, natif de Zander il évolue en solo et fait aujourd'hui euh, la fierté des mélomanes zandérois. Écoutons son portrait avec Zara Boukara rendu au studio par Habibou Boukharba plus connu sous le pseudo Baba Moussif de son vrai nom, Sonde Sambo. Ganiou Ali est un artiste rappeur, compositeur, réalisateur et producteur né et grandi à Zander. Baba Moussif a débuté sa carrière en 2013 et dispose d'un album avec euh, son ancien groupe et une compilation de 32 titres en solo. Un album avec mon groupe et une mixtape en solo et je prépare un album international de dimension internationale qui va sortir en 2023, Inch'Allah. Tout se passe merveilleusement. Il y a un de mes slogans, c'est Comme personne. Et l'album qui va sortir, ça va s'appeler Comme personne. Conscient de son aura, Babanossipa se présente comme une référence et un modèle pour les jeunes artistes des Anders avec qui il travaille en étroite collaboration, ce qui lui a valu l'estime et le respect de ces jeunes artistes qui le considère comme le moteur de la musique zandiroise. Baba est le moteur de la musique zandiroise. S'il n'y a pas Baba, il n'y a pas musique à Ça, je peux le dire. Presque tous les artistes zandirois passent par le canal de Baba Nous. La particularité de ces chansons, eh, Baba chante en Hausa. Il chante en Zama, les langues locales. Et il a un style à lui-même aussi. Ici, d'une famille des grands marabouts, Baba Nossib se bat chaque jour pour passer outre le jugement de sa famille qui tente depuis plusieurs années de le dissuader pour renoncer à la musique. Le premier défi, c'est qu'il y a mon papa ne veut pas que je chante. Je suis en train de lutter contre ce défi, ça fait quoi 10 ans Vous voyez, après, il pensait que ça allait passer après le lycée. Et c'est devenu professionnel après le lycée. Pour le convaincre, je lui ai dit, je fais la carrière artistique aujourd'hui pour d'autres buts. mon rêve, c'est quoi Je fais partie de ceux qui critiquent le gouvernement quand il ne fait pas du bien. Donc, moi, j'ai des ambitions politiques. Je pense que la solution est que la jeunesse participe dans la gestion de ce pays. Aujourd'hui, ces sons et mots continuent de marquer les amateurs de la musique urbaine et du rap qui souhaite devoir évoluer au-delà du belle transition Kawe Abarchi, on reste dans la musique, euh, c'est nous. Nous allons boucler notre sélection musicale d'aujourd'hui avec le titre CD Haushi de l'artiste Lomega, le fils de Feu Hamsou On écoute. CD Haushi, Haushi.

I'm super stylish, say the how she The world did a say the how MC, MC 24, say the how she Nye zo, nima kay, nima my say Hong Kong, you what I go to tell me Nye zo, nigga bad, see the tell me Nigga bay, ain't no long me, yeah Je suis toujours roi de la sapa A body young, nye super, super A body for young, MC 24 A body young, money, I got how long pas c'est des haushi zafin c'est haushi C'est haushi ya haushi the superstar c'est haushi de la sape c'est des haushi MC au niveau c'est des haushi c'est des haushi I'm superstar c'est des haushi Roi de la sape c'est des haushi MC au niveau c'est des haushi est né inga galala Nyeizo ay man négalala, lala Me nyezo ay wega fotu Roxima kache nono Las fedo, kache labani lo meiga Nache ala nous et uba se des haushi nous un e uba se des affines Haha

Velekoni à tes refrains, refrain tes couplet c'est nul Dega do arama baramay Velekoi dega do arama baramay Des petits MC comme bloc Crew, comme indien crew Y'a des rappeurs qui sont trop sales Mais qui rappent bien Au début de Baga Dankowa manali fakatule Dankowa manada dankoro teyan Au 8 bon wani comme l'Omega, Le créateur, le super stylé toujours bien stylé, c'est des haushi. I'm low my c'est des haushi. I'm super c'est des haushi. Roi de la sapeur, c'est des haushi. MC on y niveau, c'est des haushi. I'm low my c'est des haushi. I'm super c'est des haushi. Roi de la sapeur, c'est des haushi. MC on y niveau, c'est des haushi. Ah, c'est des haushi. shit. Ha ha ha. Yezo, aidez-moi ay de qualité, après les autres, c'est da haushi allah mai ga matan nubura ga te kalamu dange gune da wani c'est des affaires tonton bernard Mouche allah muke allah bashil kace allah Et eh oui, Mouche Allah, l'Omega, le roi de la sapée, cher auditeur, vous l'avez compris. C'est l'heure euh, de passer au loti du jour, c'est nous. Oui, Mira, euh, le loti du desk femme du studio Kalangu parle aujourd'hui euh, de l'importance de laver les mains avant d'allaiter son enfant. En effet, elles sont nombreuses les mamans qui n'accordent pas d'intérêt au lavage des mains avant de mettre leur enfant au sein. Écoutons une discussion que j'ai eu à faire avec Rekia Arimi sur ce sujet loti, loti, loti. Así vamos, su ba ka yin kai ka fai goka. Asalamu alaikum asalamu alaikum yani no goga he ya ci ne da bani no wallahi ya bani samai harai dai na goma to an wayan dimi fano ni goga batu tuni bai kan asibori na zanka goga he ya ci ne ga genta ne ya kiniga wallahi ga bai cewa to a suran dimi wadin dai ne ga bai mti ai ma zuman da dai bando ga gagayi ingino tikati yan ngowo kan ra ago zai ina tonka da mai zai ga hmm. zarmai no gane gunda kan ga haraigo asima asidi hmm. kai gidi ai mana nan de da man tiya din kula su danga irin dogo fa ka ga kai nufu ta yi izo a ta ta ga han he he he ifa no ni bagte kai gina ifa no ni bagte ya kino kai be mana nan na nan di din kan ba zibai wo nin kan na kwarawo kulu windi ha kai ne ni ba ni min izo na nan din kan ba zibai halai ga fatta window ga subo kalkan yimin hmm. aima ni bai bere ne gine bor minga kambo yum hal ni ko ji ifo sai gai kambo mu zama dori fo yamma sidu gadi se mm. so bo ne gine sai ti haifo ha a mun tono dingina bere kone ya yamar kan bore mu da hananiya zama a ga bore no ko kiya ga han no se irin san musliman kaina safuno dai kan gwanda hau a mahima bor mu goida zama aga kura hau bar mai chogo zeni chimfa difo koyni koyne mu igba mu bor mu goida fa fadegara kan su suciyan ni fa fai masidu ga kanse yajin mono nimi nyumu sor hinza hani zora aha hayo kan goce se mu yadi no ni tonton haikulu wani hmm. wani rike bakan ni wani ba kwai ne siyan wado wala shawara yan no ki gno wai borai kan ga nanan disi ni bai kan loktor kwar borai iga borai lakalai candi kan ima hagwai da hananiya zama zankawo a ga targa ka dori dino delu wallai sabin sai kani ne fangan da wani yankulu ne bai ibu wazan kano kan ga hego masha Allah da sun tinga kati mu haikul kul gano ne gidinya ai sabu gumgumu irgudu fa ka gai son wakai zama duga dangai ni wani himu goy bar mai boda no <laughs> ha manti ti bar mai yan sani no ani gai kyoro loktora adin bai mi. ado dai na nai du yau kulu kwai ne mo manti ti ya mono inda kai wat tukulir go charbande agai dondonan da hay bobu ya hey dindu lokaci irin yi. mufakarai ay haibobu rati si ba mu in insha Allah ikara hani zo wa aiki kudu dama kun duga hayawo sola mai wangi tantani to bir koy ba. artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie euh, de Moussa Hassan. Avec lui, nous allons découvrir euh, ce que signifie le mot SMIG en français et en Hausa. Oui, voilà. <laughs> <laughs> Moussa, bonjour et bienvenue euh, dans le Niger sur l'angu. Alors, euh, dites-nous, que signifie le mot euh, salaire minimum interprofessionnel garanti du SMIC Merci Samira, merci Seno de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer cela. En fait, le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, est un montant plancher en termes de rémunération salariale horaire. Il est fixé par un gouvernement après un accord ou au moins une consultation avec les représentants de toutes les professions. Hmm. C'est donc un salaire minimum fixé par une loi imposant aux employeurs de ne pas verser de salaire qui serait inférieur à ce SMIC fixé, donc le SMIC en vigueur dans le pays. Mhm. Mais dans certains pays, ce SMIC a évolué vers ce qu'ils appellent le SMIC. SMIC, c'est le salaire minimum de croissance c'est la même chose pour garantir la vie facile aux salariés, c'est-à-dire c'est un salaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié, et ce, quelle que soit la forme de rémunération. Parce qu'il y a des gens qui sont euh, payés au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, par commission ou bien par pourboire. Tout compte fait, quelle qu'en soit la forme, il faut que ce salaire soit le SMIC ou plus. Donc le SMIC est institué pour assurer aux salariés qui ont le plus faible taux une garantie pour un pouvoir, un pouvoir d'achat pour pouvoir survivre, si je peux le dire. Donc euh, en Zarma, je vais expliquer ça mhm. sommairement. Le SMIC d'Egiti, Banandei, Kul Ikaina, Kanse Ganda Imani Maga, Kul gwamnati no ga gorandi alwati bani ka asawaran da goitere da bure kan yangi sambu goy dinga mbo kanti gwamnati gwamnati sambu goi bore ngo no company company mo sambu goy da ba bo ni hinne da ni gibor fo sambu goy amma matkur kan no banando din amma ni hima amiye ganda tilas no di banga dan labura bai kum si bora banage wani sai ganda dai labuye sanda france eh, banando din a ah, bargati matsalare manti banan di kainano amma banan do kan hima ka tonton ngai wodo matkul kan cinno da zari zari no bora bana da goyo kan bora te no igila sabu bora bana dizin gano ni bora te goy fo bon dumu du bora ko yi banno ni gano kaina matuka no de dilla sabu te handora mar ya ka gududin a hima ka to ban daidin wakan ikosu kan sai gina <laughs> ismi kodi mo jiri kulu igala sabu no kidi matano di ga kan igano mm-hmm. euh, c'est Fama Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir euh, l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Nasir Hashima sunana. Alhamdulillah shirye-shiryen Studio Kulangu muna jin daɗin shi sosai. Ni dai da lokaci ya yi sai na tsaya na saurari Studio Kulangu. Alhamdulillah duk shirye-shirye shina birge ni ana ba kowa dama ya saurare shi da kabilar shi. Kuma na biyu ga forum suna yi wanda aka waye ma talakawa kai bisa ga shi a yi minti 45 ana waye ma talaka kai ai ma da kici abu su kan si gani ta kurai kwai kango ballara walla studio kalango a gwanda ma'ana na gumo zan borga ma labari kimcimi da ba dumdumino ni ga maga Assalamu alaikum rahmatullah suna na Amiru Sahabi mai sauraron kalangu a koda yaushe ina kamowa ta karkashin rediyon niya FM nan kwanni wato gaskiya shirye-shiryen studio kalangu suna birge ni sosai sabida ga yadda ake sawa shirye-shiryen su ana yi da Hausa ana yi da Hillanci ana yi da Zabarmanci ana yi da Faransanci shi yasa ga koda yaushe ina saurare da kalangu. Chers auditeurs, c'était là le message de nos auditeurs que vous nous avez envoyé. Alors, c'est le moment pour nous euh, de recevoir notre collègue d'aujourd'hui qui va présenter le journal en français. Rafika Taher, bonjour. Bonjour Samira. Quels sont les titres de ce soir alors, euh, il y a les producteurs agricoles démunis de trois communes de Gaïa qui bénéficient du gouvernement de l'accès aux engrais à prix modéré. Plus de précisions justement dans le journal de 17h. La commune rurale de Fandoumayaki, dans le département de Balayara, a été la cible d'une attaque hier par des hommes armés à bord de moto. Plusieurs millions de francs CFA emportés. Vous aurez les détails avec le maire de la commune. La partie magazine de ce soir va porter sur la mendicité au Niger, devenue un fléau dont on n'arrive pas à mettre fin. Un sociologue donnera des pistes. Merci beaucoup Rafika, on se voit à 17h pour écouter le journal. Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Ali Munkela Ouseni Alia Seno et de moi-même Samira Rafi. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo et un autre numéro. À la technique, c'était Issa Lawali et à l'édition la grande dame Adama Dawaki. Excellente journée à vous et à bientôt.